Chers auditeurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangu. La contribution des leaders religieux dans la promotion de la cohésion sociale au Niger est notre thème de ce soir. Dans son livre intitulé La cohésion sociale, l'écrivain belge Michel Ancio définit ce concept de cohésion sociale comme étant l'ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les individus l'égalité des chances afin de permettre à chacun de participer activement à la société. La Constitution nigérienne du 25 novembre 2010, en son article 3, stipule que la République du Niger est un État unitaire elle est une et indivisible, démocratique et sociale. Ce texte dispose également dans ses principes fondamentaux des valeurs telles que la justice sociale et la solidarité nationale. Cohésion sociale et unité nationale sont donc deux concepts qui vont de pair. La cohésion sociale a-t-elle des fondements religieux Quel rôle jouent les leaders religieux pour une meilleure cohésion sociale au Niger quelles sont les attitudes à promouvoir pour une meilleure cohésion sociale au Niger pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Sheikh Braham Aboubakar, président du comité de dialogue euh, intra- et interreligieux CEDIR, révérend Baragé Gelgou, pasteur évangélique, membre du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR, et M. Alou Maïga, il est le secrétaire général de la Fédération des associations islamiques pour l'appel et le développement. Il est également membre du CEDIR. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Dégis. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette euh, émission qui parle euh, de la contribution des leaders euh, religieux dans la promotion de la cohésion sociale au Niger. Cheikh Braham Aboubakar, président du comité de dialogue interreligieux au Niger, d'abord, comment définissez-vous la cohésion sociale dans le contexte du Niger notamment Louange à Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah se perpétuent sur son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sur sa sainte famille et ses fidèles compagnons. Encore une fois, merci au studio Kalangu. Euh, nous sommes très heureux, encore une fois, d'être au studio Kalangu euh, pour pouvoir apporter euh, la contribution notre modeste contribution et la contribution de ces dires euh, à l'édification d'une société de paix et de justice. La cohésion sociale est une exigence coranique, c'est une exigence divine, dans la mesure où l'islam est cette religion qui est née au milieu des tumultes, qui est apparue comme une étincelle au milieu de la nuit noire. Euh, c'est-à-dire que au moment de l'apparition de, l'islam, c'est-à-dire du premier verset coranique, la, la péninsule arabique, l'Arabie saoudite était plongée, ce que nous appelons aujourd'hui l'Arabie, était plongée à fond dans l'obscurantisme, dans l'ignorance. Les Arabes étaient en fait dans la barbarie, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans l'injustice ils étaient dans la corruption morale, ils étaient surtout dans euh, des choses horribles telles que l'inhumanité, euh, à savoir l'esclavagisme, à savoir euh, le piétinement des droits fondamentaux de l'être humain, le, le, droit de la femme, le droit de l'enfant. Voilà. Donc, non seulement des êtres humains libres, nés libres selon l'islam, sont euh, à l'époque, mais aussi les femmes étaient monnayées, étaient considérées comme des marchandises. La femme faisait partie de la monnaie. On l'échangeait. Vous voyez Et les enfants sont tués vivants. Mais surtout, ceux qui détenaient leur force brute régnaient au-dessus de la société. ils guerroyaient. Ils étaient des chefs de guerre qui prenait les, gens en otage, qui prenait la société en otage, qui confisquait les biens et les femmes qui leur plaisaient, qui faisait régner la terreur dans cette société. Donc vraiment, c'était une société tourmentée. Mm-hmm. C'était une société où régnait vraiment euh, des choses inconcevables. C'est au milieu de tout cela que l'islam est apparu. Quand l'islam est apparu, il est apparu avec un mot d'ordre le premier verset disait écrois, lit ». Il a dit au messager la lorsque l'ange Gabriel lui était apparu dans la, dans la nuit, le premier mot qu'il lui avait dit, c'est lit. Parce que tous ces actes que je viens de décrire mm. euh, découlaient de l'ignorance. C'est pourquoi l'islam a commencé par la lecture. Par la suite, l'islam a apporté des versets fondateurs qui ont dit que tous les êtres humains sont égaux. Vous êtes tous des humains. Vous êtes tous issus de Adam et d'Ève. Mm. C'est dit clairement. Mais de façon concrète, euh, chacun, on parle de cohésion nationale ou d'unité entre tous les citoyens au sein d'une nation, malgré toutes les divergences qu'on a, on le sait bien. Est-ce que cela peut avoir un fondement religieux dans l'islam Lorsque l'islam dit que vous êtes tous d'Adam, vous êtes tous égaux, vous êtes tous les mêmes auprès d'Allah, ce qui compte le mieux auprès d'Allah, c'est la foi, la piété. Donc ce n'est pas la couleur de peau, le Coran le dit très clairement. Dieu ne regarde pas votre couleur de peau. Dieu ne regarde pas votre race. Il ne regarde pas votre richesse. Il ne regarde pas votre beauté, etc. Pour lui, vous êtes tous des égaux et que ce qui compte, en fin de compte, ce sont les bonnes actions que vous aurez accomplies ici sur cette terre. Mhm. Donc Dieu veille aux graines. Dieu nous euh, Dieu euh, comptabilise nos actions. Mhm. Dieu nous demandera à rendre compte un jour. Donc, par cette euh, loi Dieu nous dit clairement qu'il faut être bon dans la vie. C'est pourquoi mm. Allah dit au messager d'Allah dans le Coran, sois bon envers les autres comme Allah a été si bon envers toi. Mm. Donc chaque être humain a le droit d'être... Euh, euh, euh, personne n'a le droit de tuer. Mm-hmm. Tu n'as pas le droit de faire du mal à ton prochain. La vie, là, ce pas nous qui l'avons insufflé dans mm. le corps. Donc, Allah dit, quiconque tuera un humain, c'est comme quelqu'un qui aura tué, toute, l'humanité. Quelqu'un mm-hmm. qui, aura sauvé euh, un humain, un être humain, c'est comme quelqu'un qui avait sauvé toute l'humanité. Vous voyez, mm-hmm. à partir de là, l'islam a apporté des comportements qui permettent aux gens de vivre en société, mm-hmm. dans la paix et dans l'harmonie. Merci beaucoup, Cheikh Abraham Aboubaka. Révérend Barajé Jelgo, pasteur évangélique, euh, également membre du CEDIR. Qu'en est-il des prescriptions du christianisme par rapport euh, à, cette question de cohésion sociale pour euh, des communautés vivant au sein d'un même euh, État je commence par remercier Dieu du fait qu'il m'a donné cette occasion de pouvoir parler sur la cohésion sociale mmh. et aussi exprimer ce que la Bible, parole de Dieu, dit par rapport à cette situation. je crois que ça cadre très bien avec euh, ce que la Bible euh, enseigne. Tout d'abord, nous pouvons commencer par voir la cohésion sociale à partir de la notion de la famille. Dieu a créé la famille et il voulait que la famille soit unie, que la famille euh, travaille ensemble. Et cela va donner non seulement plus de vie, mais aussi plus de puissance, plus de force et cela aussi va être en tout cas quelque chose de formidable. Mm. Et la Bible, tout au long de la Bible, euh, la Bible nous encourage à être un, nous encourage à fuir la violence, mais à chercher toujours à, être ensemble. L'enseignement de Jésus d'ailleurs, où il disait... Euh, si quelqu'un te fait le mal, ne réponds pas le mal par le mal. Mhm. Il faut plutôt rendre le bien à la place du mal. Si, on te gifle, sur, la joue droite, présente l'autre. Mhm. Bon, là, là-dessus, il ne faut pas voir seulement que le coup, n'est-ce pas, qui va sur la joue. Mhm. Gifler, ça peut être une insulte. Ça peut être quelque chose, en tout cas, qui te fait mal. Si quelqu'un te le fait, tu le laisses entre et son Dieu. Voilà. et la parole de Dieu nous dit à moi la vengeance. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Vous ne devez pas chercher à vous venger. Quand il y a des situations, quand il y a des problèmes, laissez Dieu s'en occuper. Donc ça, c'est une notion tout au long de la Bible. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Euh, le thème central même de la Bible, c'est quoi C'est l'amour. Hein nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus a dit, c'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc euh, la religion chrétienne, elle prône donc pour la paix, pour l'unité, euh, pour euh, la compréhension et pour euh, le bon vivre ensemble. Mhm. Je m'en vais lire un passage de la Bible qui nous montre quelque chose de très très intéressant par rapport à la vie d'ensemble. Et là, ça va toucher directement à l'aspect même économique, à l'aspect sécuritaire, Hein, et ce passage se trouve dans Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, mhm. euh, à partir du chapitre 4, verset, je crois, c'est le verset 9. Voici ce que le passage dit. Mieux vaut être à deux que d'être tout seul, car on tire alors un bon profit de son travail. Il continue en dit, et si l'un tombe, l'autre le relèvera. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il Un homme seul est finalement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas facile à être rompue. Donc euh, ça, c'est un passage qui nous montre l'importance de l'unité. Mhm. la Bible dans un pays, dans un foyer, en tout cas, l'unité, elle est très importante et je crois que l'unité vient de Dieu. Mhm. Et Dieu, en tout cas, veut l'unité et Dieu hait tout ce qui peut amener la division, mhm. tout ce qui peut amener euh, des problèmes, tout ce qui peut... La division, elle regresse toute la société, toute la famille, toute, même la personne elle-même. Ça veut dire que la cohésion sociale peut être considérée comme une recommandation du christianisme. Exactement, c'est mhm. une recommandation euh, du christianisme, hein, la cohésion sociale. Euh, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu pour apporter la paix. Mm. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mm. Il est venu pour nous permettre d'être réconciliés avec nous-mêmes. Mm. Il est venu pour nous permettre d'être réconciliés avec les autres. Donc, euh, vraiment, euh, l'unité, la cohésion sociale, euh, ça va dans le sens de la volonté de Dieu. Mhm. Merci beaucoup. Monsieur Alou Maïga, secrétaire euh, général de la Fédération des associations islamiques pour l'appel et le développement également membre du CEDIR. Selon vous, pourquoi est-il important de faire euh, cette promotion de la cohésion sociale au sein d'un pays Monsieur je crois que cette cohésion sociale au sein d'un pays est très importante, puisque ça, non seulement c'est une recommandation divine pour tout religieux, pour tout celui qui reconnaît que Dieu existe et qu'il a des recommandations qu'il faut se plier. C'est également cette cohésion sociale, il faut que chacun soit dans les mêmes conditions que l'autre. C'est-à-dire que si on regarde de près, il y a une question de droit là-dedans. Mmh. Le respect de l'autre et le droit de l'autre à exister, à bénéficier des mêmes droits que vous dans la société et surtout dans l'espace que vous partagez. Mmh. C'est de là que découle une cohésion sociale. Et on, je dirais tout simplement le la, justice tant qu'elle est respectée, où chacun respecte les droits de l'autre, on a l'habitude de dire que votre droit s'arrête là où commence celui de mhm. l'autre. Et ce respect de droit-là fait que la société peut vivre en harmonie. Mais il y a, dès qu'il y a une rupture quelque part, on force tout. Et en islam, il, tout et chacun sait que le respect du voisin, surtout, est une recommandation divine. Et puis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a toujours conseiller les gens de faire attention à son voisin, de tenir compte de l'existence de ce voisin, à tel point que ses disciples et ses proches de lui ont cru à un moment qu'ils pouvaient dire que peut-être que le voisin pourrait être parmi un héritier de vous une fois que vous quittez cette terre. Or, ce qui fait que l'importance du voisinage et surtout le respect de l'autre est très importante dans une société qui c'est la source même de la cohésion sociale. Mhm. Le respect des droits de chacun. De chacun. ça veut dire que chaque religieux doit se soucier de ça, c'est ça Chaque religieux, même pas religieux, chaque euh, euh, habitant dans une, euh, comment dirais-je, circonstance bien définie, dans un territoire bien déterminé, dès que vous vivez ensemble, il faut respecter le droit de l'autre. Mhm. C'est la moindre des choses. Et ça, je crois que les religieux ne cessent d'appeler aux gens à cet aspect-là. Mhm essayer d'éveiller la conscience de nos citoyens et d'interpeller les citoyens au respect des droits des uns et des autres pour une harmonie dans la société. Merci beaucoup. Je vous remercie. Cheikh Abraham il l'a dit, il faut donc que chacun respecte euh, les droits des autres. Mais de façon générale, euh, s'il faut analyser la situation au plan national, selon vous, comment se porte cette cohésion sociale au Niger Globalement, au Niger, on n'a pas de problème particulier de cohésion, de coexistence pacifique, mhm. parce que au Niger, les communautés vivent ensemble. Il n'y a jamais eu de conflit à grande échelle entre deux communautés au Niger, mhm. que Dieu nous en préserve jusqu'à présent. Mhm. De même, au niveau des religions, les religions ont toujours coexister pacifiquement dans ce pays, hum. sans problème. Mais tout récemment, on a constaté des indices, j'allais dire au moins deux indices, jusqu'à trois, qui sont inquiétants. Le premier, c'était le fait que il y a des gens qui prennent des armes et souvent ils disent le faire au nom de la religion et ils tuent des gens. Ensuite, tout récemment, en 2015, il y a eu les événements du 16-17 janvier, n'est-ce pas 2015. Mhm. Euh, de 2015. Hein. Vous faites allusion voilà, à l'affaire, suite à, une, à l'affaire mhm. dite de Charlie. Mhm. Donc, vraiment, c'est du jamais vu. C'était une première, une triste première au Niger, car rien ne présageait de ces drames. Euh, il n'y avait eu aucune provocation de la part de nos frères chrétiens, de qui que ce soit il n'y a pas eu d'actes de, particulier entre les deux communautés. Et pourtant, ce sont leurs édifices qui ont été brûlés. Mmh. Bon, Dieu merci, euh, dès le jour même, les chrétiens se sont réunis, ils ont dit qu'ils pardonnent. C'était une grande leçon. Il y a eu aussi beaucoup de musulmans, en tout cas, les Sédir en fait partie, qui, qui sont montés à chaud au créneau mmh. pour condamner ces actes pour euh, témoigner de leur euh, compassion à nos frères euh, chrétiens qui ont été injustement pris à partie. Mm-hmm. Donc, une autre, un troisième élément qui me paraît inquiétant, c'était les prêches incendiaires, mm-hmm. les prêches que, qui, qui, incitent à la haine. Mm-hmm. contrairement aux pionniers, aux gens qui ont apporté l'islam dans ce pays, qui n'ont jamais prêché la haine, qu'il faut le dire, ils ont cohabité avec les religions traditionnelles, sans faire le djihad, sans faire la guerre euh, religieuse contre eux, sans les, malmener. Et ils ont vécu harmonieusement avec eux. Donc, euh, c'est un mauvais indice quand des prêches incendiaires sont euh, entendues du haut de certains minaret du haut dans certains médias, dans les réseaux sociaux, au niveau de certains prédicateurs. Euh, et, vraiment, toutes ces choses-là sont inquiétantes et sont dangereux. Ces actes-là, voilà ce qui nous amène aux deux premiers, qui nous amène à la haine de l'autre, à l'intolérance et, à la division. Ça, on n'en a pas besoin. C'est un comportement vraiment qui est dangereux au niveau d'un pays mmh. et pour la, pour la paix et la cohésion au sein d'une même nation. Ça vous dites qu'il y a des prêches incendiaires parfois, mais est-ce qu'il vous arrive de faire quelque chose au niveau du CEDIR euh, pour contribuer à lutter contre cela, justement Le rôle du CEDIR, c'est d'abord de sensibiliser les prédicateurs eux-mêmes, de les réunir en session de dialogue pour qu'ils puissent prendre conscience d'un certain nombre de choses relatifs euh, relatives à leur propre texte religieux. Mm-hmm. L'islam respecte tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas de foi mm-hmm. religieuse. Dieu dit, là comme dit, non comme dit. Pourtant, il ne parlait pas des chrétiens ni des juifs qui mm-hmm. ont leur propre religion, qui ont leur foi. Il parlait des mécréants, ceux qui n'ont pas de. Euh, qui n'adoraient pas un, Dieu unique. Donc les associateurs, Dieu dit, a qualifié quand même leur adoration de religion. Il a dit mm. C'est un dina. Donc c'est a euh, vous votre religion, à nous notre religion. Mm. Donc c'est un signe de respect. L'islam respecte tout le monde. Il dit quelque part n'insultez pas N'insultez pas ou bien ne dites pas de mauvaises choses sur ceux-là même qui adorent autre chose que Dieu, et qu'en retour, pour qu'en retour, ils ne puissent pas se mettre à insulter Dieu. Donc il ne faut pas insulter. Il faut respecter l'autre. Et puis, quelque part, Dieu dit, euh, Appelle au sentier de ton Seigneur par la bonne parole. Voyez, hmm. donc euh, la bonne parole, c'est-à-dire la parole douce, la parole vraiment euh, diplomate, la parole qui, qui, qui, fait euh, plaisir au cœur, mhm. pas par l'agressivité, les injures et autres. Non, il ne faut pas vouer l'autre aux gémonies. Il ne faut pas maudire l'autre, ni sa foi, ni sa religion. Donc tout ça, l'islam le dit et pourtant les gens continuent de le faire. Mhm. Donc c'est contraire au texte coranique, c'est contraire euh, euh, à l'islam, tout ça là. Donc il faut bannir ces choses-là. Le dire, essaye de mettre l'accent mhm. sur la concordance de vie, de vue entre euh, les, religions monothéistes que nous, tendons dans ce que Baradji venait de dire tout à l'heure. Mais tout musulman se reconnaît dans ces choses-là. Mhm faire du bien, euh, être pacifique. quand, on te, quand, quand, quand, on te fait du mal, répondre, ne pas répondre par le mal. C'est écrit dans le Saint-Coran. Mhm. Tu as l'impression de lire le Saint-Coran, et pourtant c'est de la Bible. Donc, oh, vraiment, le dialogue au niveau du sédir consiste à faire comprendre aux gens que nous tendons tous vers un même idéal, mhm. qui est l'idéal de paix, d'amour et de la tolérance. Merci beaucoup. Révérend Baragé Gelgou, quel rôle joue où pourraient jouer les leaders religieux en vue d'une bonne promotion de cette cohésion sociale au Niger Merci beaucoup pour cette importante question. Le leader religieux, il a une place spéciale et il joue un rôle très très très important dans ce sens qu'il s'agit de la religion, de ce que la personne croit, de ce que la personne accepte, de ce que la personne adore, de ce que la personne en tout cas, est beaucoup plus euh, sensible. Euh, c'est pourquoi donc le leader religieux a une grande responsabilité euh, dans ce sens-là. Alors, pour que le leader religieux puisse accomplir valablement et comme il se doit sa responsabilité, il doit connaître d'abord sa religion, ensuite de chercher à connaître l'autre. Parce que tout ce qui crée des problèmes, c'est quand ne connaissant pas euh, de quel bois l'autre se chauffe, tu veux rentrer dans ce domaine-là mm-hmm. hein, pour euh, parler ou pour fustiger. Euh, peut-être même ce que tu as ramassé quelque part, ce sont des choses racontées par ceux qui n'aiment pas peut-être cette religion-là. Mm-hmm. Mais si tu lis les textes, si tu vérifies par rapport aux textes, là en ce moment tu verras que c'est dans les textes. n'est mm-hmm. pas pour rien qu'on nous appelle évangéliques ou protestants c'est parce que nous sommes contre toute idée, toute philosophie, tout enseignement qui n'est pas contrôlable par la Bible. Mhm. Quand vous venez chez nous, on va vous écouter. On va agir comme un groupe de chrétiens dans la Bible qu'on appelle les chrétiens de Béret. Mhm. Euh, on vous écoute, on prend note et après on compare ce que vous avez dit par rapport à ce que la parole de Dieu a dit. La Bible. Et la Bible. est Et mhm. là, en ce moment, si c'est conforme, on l'accepte. Si n'est pas conforme, alors, nous avons deux options. Soit on met ça de côté en observation, soit carrément si nous sommes convaincus que cette chose-là n'est pas conforme à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, on la rejette. Donc voilà un peu comment le leader religieux euh, peut jouer un rôle, parce qu'il touche directement la conscience de la personne. Il touche directement là où même l'enseignement, là où d'autres ont échoué. Nous croyons que le leader religieux, lui, quand il va parler, les gens vont écouter et les gens vont obéir. Mm. Euh, c'est pourquoi il a une grande responsabilité devant Dieu et devant la société, parce que tout ce qu'il aura fait, il va rendre compte à Dieu. Et des fois même, il doit rendre compte à la société. Donc, euh, nous avons une responsabilité et que Dieu nous aide à pouvoir accomplir comme il se doit cette responsabilité, euh, celle d'unir les gens, mm. celle de rapprocher les gens, euh, celle, en tout cas, de permettre qu'il y ait une vie d'harmonie, une bonne cohabitation entre nous. Merci beaucoup. Monsieur Alou Maïga, secrétaire général de la Fédération des associations islamiques euh, pour l'appel et le développement, il a eu à le dire, euh, les leaders religieux sont très bien écoutés quand c'est par exemple un leader musulman ou chrétien qui lance un appel, tout le monde est attaché à ça. Mais comment faire pour que les messages de ces leaders religieux euh, ne portent pas atteinte justement à cette cohésion sociale Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Quel rôle ces leaders peuvent jouer pour renforcer l'unité nationale Les leaders religieux pour renforcer les liens entre les nationaux et surtout pour promouvoir la cohésion et la tolérance euh, dans la société, il y va de leur comportement eux-mêmes. Mm-hmm. Quand vous êtes un leader, que vous soyez religieux ou politique ou autre, il y va de votre comportement vous-même. Il faut être convaincu d'abord de ce qu'on veut, de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Quand vous êtes un religieux et qu'on voit que votre comportement laisse à désirer, personne ne vous écoutera vous créez de la confusion plutôt que de chercher à chercher l'harmonie qu'on cherche et surtout la culture de la paix, la consolidation de la paix dans notre société. Donc le comportement de du religieux est très examiné à la loupe par ses concitoyens. Puisque quand un leader, vous qui venez prêcher, on regarde ce que vous faites d'abord. Après les pêches, vous allez rentrer dans la société, dans la ville, aller au bah, Si on voit que ce que vous faites et de la manière dont vous vous comportez, c'est le contraire des recommandations divines, donc vous ne pouvez plus convaincre. Il faut être convaincu que voilà ce que Dieu, les recommandations divines, vous les acceptez à la lettre et que cela se traduit par votre manière de vivre, votre comportement de tous les jours. Et c'est ce qui fait un leader religieux. Mais ensuite, éviter aussi les comment dirais-je, ceux qui, comme le dit tout de suite le révérend Barazé, euh, des, idées préconçues. Vous venez, vous vous lancez dans des diatribes incendiées et autres là pour fustiver les autres ou bien dire qu'il n'y a que votre religion qui est une religion et qu'il n'y a que quelqu'un qui est de votre religion seulement qui va aller vers Dieu ou autre. Non, c'est des comportements indignes d'un vrai leader religieux. On doit tenir compte de l'existence des autres également. Et c'est à ça que nous, je voudrais rappeler actuellement qu'il y a à l'heure actuelle, notre société évolue et que tout récemment, nous savons que le ministère hein, de l'Intérieur a euh, sorti un décret sur le culte. Nous attendons bientôt qu'il y ait un décret d'application de cette recommandation pour pouvoir apporter de la lumière de la manière dont il faut se comporter et quel genre d'individu a le droit d'aller prêcher pour éviter les. n'étaient pas d'accord avec le projet, Dans la vie, on ne peut pas avoir une unanimité dans quelle que soit la mesure adoptée par par les dirigeants ou par la société, même, même les recommandations divines, c'est pas tout le monde qui les applique, mm. Elles qu'elles sont à plus forte <laughs> raison. Et puis le travail de l'être humain a toujours besoin d'être harmonisé, toujours a besoin d'être, comment dirais-je, rénové et euh, consolidé. Mm. Donc l'œuvre humaine a toujours besoin d'être toujours, euh, elle est toujours euh, inachevée. Il faut, un encadrement. Il faut un encadrement au plan juridique, au plan, mm. administratif et surtout au plan religieux. Mm-hmm. Hein, il n'est pas donné à tout un chacun de venir dire ce qu'il veut selon sa manière et autre. Non, non, non. Il faut sortir d'abord d'un cadre logique, d'un cadre, euh, comment dirais-je, réglementaire. On sait que vous mm-hmm. venez de telle, comment dirais-je, association ou autre, ou de tel regroupement d'associations et que en cas de pépin, on sait à qui mhm. s'adresser pour pouvoir, s'il y a sanction ou, soit, ou recommandation ou quoi que ce soit, vous appliquer, savoir bah, vers, qui se retourner. Il n'est pas donner à tout un chacun de venir dire Ça ce qu'il veut. Il y en a qui viennent dire ce qu'ils veulent. C'est ce que nous constatons à l'heure actuelle dans notre société au euh, Niger. On vient, on se met dans, une radio, on vous mm. enregistre et puis vous, vous, quittez et puis eux, ils mettent ça sans écouter tout de suite, le président euh, Cheikh Braham l'a dit, nous, au niveau du CEDIR, hein, nous sommes également à l'écoute hein, de tous ces prêches et autres qui se font à la radio et à la télévision et nous attirons l'attention souvent de temps de CSC sur pour, pour mettre à fin ou nous empêcher que d'autres qui sont euh, comment dirais-je, euh, euh, à qui on donne la responsabilité d'avoir fait des prêches incendiaires qui ne, le refassent plus, ou bien qu'on attire leur attention que ce n'est pas bon pour la cohésion sociale. Mhm. Merci beaucoup. Je vous, euh, vous avez voulu compléter, allez-y. Voilà, euh, donc euh, sur le comportement du mhm. leader religieux, j'ai l'habitude de dire que les leaders religieux, ce qui fait de lui le leader religieux, c'est que c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement responsable. Mhm. Ce que la communauté attend de du leader religieux, le contrat qui le lie à cette communauté, c'est la droiture morale d'abord. Mhm. Si tu n'as pas cette droiture, tu n'as aucune place, tu n'es pas à ta place. Mhm. la, population attend de toi Ils savent que celui-là, si je vais vers lui avec une question importante, intime, il, saura garder, non seulement il saura trancher pour moi, pour m'aider à, me placer sur le bon chemin, mais aussi il va garder le secret entre lui et Dieu. Donc c'est une affaire de confiance. C'est quelqu'un qui ne doit pas être euh, motivé par le bien matériel, mm. ni par une idéologie politique, ni même par, par une idéologie religieuse au point de mépriser l'autre. Donc c'est quelqu'un qui doit être au milieu. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Mm. Il faut que le, leader religieux puisse rester toujours au milieu. On dit souvent que dans notre société, c'est un phénomène. Hmm. On voit que des gens cherchent coûte que coûte à pousser des leaders religieux sur le terrain glissant de la politique. Hmm. Non, le leader religieux n'est pas un homme politique. Mais le leader religieux doit dire la vérité partout, hmm. sans s'immiscer dans, dans le champ politique. Mais il ne faut pas qu'il rate ce devoir de dire la vérité. Parce que vous pensez que dans la politique... Les, les leaders politiques ont besoin de cette vérité chez le leader religieux. Si on l'amène à dire autre chose que cette vérité, on l'a on, on, euh, fait sortir de, son, de, son, de sa place. Mm-hmm. Voilà. Donc, il faut que euh, le leader religieux puisse dire la vérité en toutes circonstances. Mm-hmm. Tu n'as pas besoin d'être opportuniste, d'attendre seulement quand il y a telle autre chose. Non, il faut être toujours là droit en train de, de faire le même discours. Il faut que ce discours-là tienne toujours la route. La société, euh, dans la société, il y a beaucoup de problèmes il faut que le leader religieux puisse vraiment toucher tout, toutes ces sensibilités, puisse dire la vérité à toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de, de t'immiscer dans un parti politique ou bien dans des querelles politiques. Non, il faut toujours dire la vérité, quel que soit le moment, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Il faut être toujours droit dans tes bottes, comme on dit. Donc ça, c'est le comportement qu'il faut au niveau de ah, Dire la vérité, ne fais pas de toi un politicien. Il faut que la mm-hmm. population comprenne ça aussi. Souvent, quand un leader politique, un religieux dit la, certaine vérité, on, est taxé d'être politique. Non, tu n'as pas besoin de prononcer euh, le nom de quelqu'un. Mais il faut que la vérité, telle que sortie dans le Coran ou dans la Bible, tu puisses la dire vraiment en toute indépendance et en toute impunité. Parler de la cohésion sociale au sein d'un pays, c'est parler des valeurs de paix, d'entraide et de solidarité au sein des différentes couches euh, sociales euh, de ce pays. Révérend Barajé Gelgou, est-ce que la religion peut être un obstacle à la cohésion sociale lorsqu'il s'agit de faire la promotion de ses valeurs Je ne pense pas que la religion est un obstacle pour la euh, cohésion sociale. Mm. Puisque religion, ça vient du mot relier. On veut relier la personne à Dieu. Mm-hmm. Nous venons tous de Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il a un objectif pour nous. Et à un moment donné, il y a eu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé entre Satan et Dieu, la division. Et cette division est venue sur la terre, elle a apporté tout ce qui est derrière elle. Et finalement, nous vivons maintenant dans un monde divisé, dans un monde partagé, mais la religion est venue pour euh, éclairer l'être humain, pour lui dire, écoute, l'être humain, c'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a créé pour tel objectif la chose la plus importante si tu veux vivre en paix, si tu peux être, veux être satisfait, il faut revenir à Dieu. Hmm. Lui qui t'a créé, lui qui a un programme spécial pour toi. Et là, ainsi, l'être humain va se retrouver. Hmm. Mais dès qu'on s'éloigne de Dieu, alors nous serons comme des brebis égarées dans le désert, et puis à la merci de tous les problèmes, à la merci de, tous les dangers. Hmm. Alors que si nous revenons à Dieu, lui, Dieu, continuera donc à nous alimenter et il continuera à nous orienter, à nous conseiller, hein, parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais qu'est-ce que nous remarquons <laughs> L'être humain maintenant, il est tellement préoccupé par la recherche du pain, son temps, tout ce qu'il fait, ses réflexions, ses plans, c'était à la recherche du pain. Mmh. Mais la parole de Dieu a dit, pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Donc l'être humain doit se préoccuper de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut, de ce que euh, la raison pour laquelle il a été créé. Donc c'est la seule chose qui peut amener l'équilibre d'abord de l'individu, l'équilibre de la famille, l'équilibre même dans le pays, dans la société, donc où l'homme de Dieu vit. Et Dieu a dit celui qui vit de cette manière, mes bénédictions le suivront. Mm. Donc voilà, je peux dire que la religion, elle n'est pas un obstacle c'est plutôt une clé, n'est-ce pas, qui ouvre la porte à la bénédiction, à la stabilité, qui ouvre la porte en tout cas au bon comportement et à une bonne orientation qui nous permettra d'arriver jusqu'au bon port. Vous convenez, Monsieur Alou Maïga, secrétaire général de la Fédération des associations pour euh, l'appel et le développement. Aujourd'hui, quand on parle de cohésion sociale, c'est qu'il faut faire la promotion des valeurs de paix, d'entraide de solidarité. Est-ce que le fait d'avoir euh, plusieurs religions ou ne pas avoir une seule religion dans un pays peut être euh, un obstacle ou compromettre cette cohésion sociale Le fait d'avoir plusieurs religions n'est pas une, une cause pour une division, puisque toutes ces religions convergent vers Dieu. Comme on a l'habitude de le dire, tous les chemins mènent à Rome. Chacun, dans sa religion, cherche la voie qui le mène à Dieu. Si on respecte les recommandations de sa religion, nous savons qu'il y, y, a trois religions monothéistes. Mhm. Et ces religions se suivent. Et ce sont des religions descendues selon la volonté divine. Mhm. Hein, hein, le judaïsme, le christianisme et euh, l'islam. Mhm. Donc, si Dieu les a créés, ce qu'il a voulu que cela soit un chemin pour mener à lui. Mhm. Donc il n'y a pas déjà dans l'esprit même hein, une division. Maintenant, c'est selon le comportement des uns et l'autre ou la cupidité des uns et des autres qui font que chacun se voit quelque chose dont il ignore même, comme le dit à l'instant même le révérend Djergou, il faut connaître même sa religion d'abord avant de pouvoir l'appliquer. Et ce sont les recommandations divines. Dieu demande de le connaître d'abord avant de suivre ses recommandations. Quand tu ne connais pas ta religion, de fois, c'est toi-même qui es le fossoyeur même de cette religion. Mhm. Hein? Donc, au lieu que ce soit une division, c'est une complémentarité. Chacun se soutient. Si chacun met à bien sa, religion selon les recommandations de la euh, alors Dieu connaîtra les siens, comme on a l'habitude de le dire. Donc je ne vois pas du tout une multiplicité de religions comme un facteur de division ou de, de, machin, de manque de cohésion sociale. Au contraire, c'est une, c'est une pluralité qui, va, qui apporte le plus-value dans la manière de vivre. Chacun est libre de suivre. Comme le dit notre Constitution, déjà le dit. Mhm. Il y a la liberté de culte. Chacun est libre d'adhérer à la religion de son choix. Mais est-ce qu'il y a des comportements religieux qui pourraient être porteurs de menaces pour la cohésion e-, sociale Effectivement, il y a des comportements religieux religieux. L'extrémisme est déjà un comportement qui menace la cohésion. Mhm. déjà de par ton comportement, de par ta voix, de par la manière dont tu prêches même, tu ne tu fais comprendre que sans ta religion, tout celui qui ne fait pas ce que toi tu dis ou de la manière dont tu le conçois, puisque en réalité, tout à, l'heure, si vous avez écouté, euh, c'est au nom de l'islam que les gens prennent des armes, ce qui est complètement faux. ce n'est pas un djihad. Hein. Mm-hmm. Aider une vieille dame déjà à traverser une rue, c'est un djihad déjà. Mm-hmm. Sauver un orphelin ou aider un orphelin à, bien se nourrir, c'est déjà un chiad dans l'islam. Mais se prendre une arme pour tuer un autre ou trouver un, comment dirais-je, un imam en train de prier, l'égorger pendant qu'il il a le front en train d'adorer Dieu. Euh, celui-ci va te dire qu'il est un, musulman pas, pas, du tout. Mais donc, le chemin qu'il suit, c'est autre chose, c'est un extrémisme violent. Donc, euh, ce comportement, on le retrouve dans toutes les religions. Mhm. Ce n'est pas seulement l'islam. Maintenant, on a mis en exergue l'islam, dire euh, non, mais c'est dans toutes les religions. Ces, ces extrémistes violents là, où des gens par leur diatribe, leur manière de, faire ou de, de, et dire, se comportent d'une manière inadmissible, contraire à, la religion qu'ils prétendent défendre. Mhm. Merci beaucoup, Cheikh Abraham Aboubaka. Quelles sont alors les attitudes à promouvoir une meilleure cohésion sociale au Niger Je voudrais tout d'abord ajouter que la diversité des religions au niveau d'un pays doit être perçue d'abord comme une richesse mhm. et non comme une menace, dans la mesure où ces religions apportent la cohésion euh, l'unité autour d'un certain nombre de valeurs qu'aucune autre structure n'enseigne mieux que ces religions. Les valeurs de paix, d'amour, de tolérance, de l'amour du prochain, euh, de l'assistance aux, plus démunis, etc., etc. Toutes les religions prennent euh, ces valeurs-là, les valeurs de dialogue, etc. Donc vraiment, c'est des valeurs fondamentales à la cohésion sociale que les religions prennent dans les, dans les sermons de vendredi, dans les sermons au niveau des églises, dans les prêches, dans les écrits, dans les journaux. Vraiment, les leaders euh, de différentes religions font de leur mieux pour que cette diversité puisse être une richesse euh, positive et, non une menace. Maintenant, quels sont les comportements euh, Moi, je pense que euh, ces attitudes, c'est d'abord euh, de chercher à connaître sa religion, à connaître aussi, avoir l'humilité de, savoir, de reconnaître qu'on ne connaît pas la, religion de l'autre. Mhm. Et qu'est-ce que le Coran nous dit Quelle attitude le Coran nous dit d'adopter face à quelque chose qu'on ne connaît pas Le Coran nous dit très clairement إن ne t'intéresse pas à ce dont tu n'as aucune connaissance. Quelque chose que tu ignores là, ne t'y pas dedans. C'est ce que dit le verset. Donc, voyez, donc l'islam nous dit vraiment de, faire attention. Quand tu ne connais pas quelque chose, <laughs> ne t'immisce pas dedans. Quand tu ne connais pas la religion de l'autre, il ne faut pas chercher à rentrer dedans. Il faut juste les respecter et puis lui aussi respecter respecte ta, religion en retour mhm. et tu, vous continuez. Sans paix, on ne peut même pas aller à l'église ni à la mosquée. Mhm. Il faut cette paix. C'est une denrée dont on a tous besoin. Par exemple, où est-ce que une société apprend les connaissances C'est à l'école. Mhm. Donc l'école, c'est là où on apprend. Donc moi je pense que le comportement de paix, euh, le comportement, le bon comportement que prennent les religions, il faut penser aussi à, les enseigner, dans, les différentes écoles. Mm-hmm. Moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose où, à l'heure où on est, vu le développement de, la situation au niveau mondial, il faut que vraiment on puisse passer à une autre étape où vraiment les valeurs cardinales partagées par toutes les religions puissent être enseignées au niveau de nos écoles. Mhm. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui portait sur la contribution des leaders religieux dans la promotion de la cohésion sociale au Niger. Nous retenons que tous nos invités sont unanimes. Ils estiment que la cohésion sociale a des fondements religieux, aussi bien donc dans l'islam que dans le christianisme. Nos leaders religieux présents ont d'ailleurs souhaité que cette cohésion sociale soit renforcée. Pour ce faire, euh, il y a lieu de travailler à faire euh, promouvoir ces valeurs euh, de coexistence pacifique et même si possible à enseigner ces valeurs au niveau de l'enseignement au Niger. Merci donc à nos invités. Nous étions en compagnie de Cheikh Braham Aboubakar président du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR, révérend Barajé Jelgou, pasteur évangélique et membre du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR, et enfin de M. Alou Maïga. Il est le secrétaire général de la Fédération des associations islamiques pour l'appel et le développement. Il est par ailleurs euh, membre du CEDIR. À la modération de ce forum, je suis Michel Desjardins à la technique euh, Issa Laoli. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.